Vous vous rappelez certainement de l'artiste Barakina Bawan Allah. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss euh, Rime. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes dimanche. Nous allons donc parler un peu des difficultés euh, que l'artiste a rencontrées dans sa carrière pour chercher des solutions et ensuite parler des projets. Barakina Bawan, c'est toi qui es la C'est toi qui nous en valeur. Ok, d'accord. On va parler un peu, euh, n'est-ce pas, euh, euh, de ta carrière. On va parler un peu des difficultés que tu as rencontrées parce qu'on a déjà retracé le bilan. On a fait le bilan de 5 ans de gestion hier sur l'émission l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, il y a eu certainement des choses qui t'ont un peu freiné. Surtout courant euh, l'an 4, parce que là, tu m'as dit que carrément Covid t'a empêché de faire un concert. Récapitulons les 5 années de difficultés que l'artiste a rencontré parce qu'on sait que c'est pas du tout chose facile de faire de la musique ici au Niger. pas du tout chose facile. Oui. La première difficulté, je pense que ça a commencé la fac. Comment fallait, il fallait déjà faire le, la transition de la fac à la musique. Donc c'était ça d'abord le premier problème parce que qui dit fac déjà dit étudiant, donc manque sûrement de moyens. Mais entre-temps déjà je n'avais jamais cessé d'écrire, moi depuis toujours je, je, savais que j'allais faire un projet, donc j'étais sur mon projet, mais ce qui bloquait c'était comment le réaliser. Donc c'est de là, je me rappelle que ma dernière bourse que j'ai touchée, ma dernière bourse de master que j'ai touchée, c'est ça j'écris je suis de la nappe. je suis allé tout le monde. Ta première bourse. Ma, dernière bourse. Ah, ta dernière. C'était la dernière. Tu as pris et tu as dit, moi, je vais investir dans la musique. C'est soit je fais ça, ou soit euh, je ne voyais pas qui allait me donner la Explique-moi comment ça s'est passé. Euh, parce que c'est important qu'on ait un peu. tu, as pris ta, tu, es parti au studio. Ok, tu, tu as venu Tu as eu de quoi revenir, le taxi pour revenir, ou bien tu as tout ah, rejeté. Léo coach Ah, tu sais, c'est Oui, explique-moi. C'est du terre à terre. Oui, c'est quand t'ai venu, oui. on avait déjà fini le projet. Quand, quand j'étais venu, j'ai expliqué à Léo, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux enregistrer tout ça. On a fait le prix, J'ai enregistré deux titres. Il m'a dit, bon, je vais te faire un bon prix comme tu viens de Ouais. Il m'a fait un bon prix pour le clip et tout. faisait exactement le prix de ma bourse. C'était combien ta bourse 150 000. Ah ouais Bourse le master. Donc, je me suis dit, tu as pris le risque de donner J'ai pris. Non, j'avais caché 20 000. Je j'ai dire ça, et ça, là. J'avais caché 20 000. Okay. J'ai voulu, venir <laughs> j'ai voulu donner les 130 000. Eh, eh, eh. Et quand je suis arrivé, j'ai gardé les 20 000, je vais les Pour te sécuriser. Pour te sécuriser. Quand je suis venu, Léo m'a dit, je t'ai fait beaucoup de réductions. <laughs> si tu ne pas tout l'argent. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. J'ai dit, ah! Je suis sorti, j'ai fait mal j'ai rajouté. J'ai rajouté 10 000. Ok. Je lui ai dit, bon, maintenant c'est à 5 000. J'ai gardé les 10 000. J'avais vraiment rien à part ça. Ok. Il m'a dit non, non, non, non, que malgré les qu'il m'a payé, il peut Dit, Tu as débloqué les 150 J'ai débloqué, j'ai dit à les 150. Je lui ai donné les 150. Super. Donc après, on a pris le clip avec Milly, il m'a pris sur sa photo, on est rentré à la maison. Ok. J'ai dit, regardez-moi cette as du clip et du son, c'était le clip qui m'a abonné. Après, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Mm. J'ai cherché des mégas, entre temps, j'ai dit que je vais mettre en ligne. J'essaye de mettre en ligne, YouTube rejette le clip. On me dit que. C'est aussi des difficultés, ça. C'est la plus grosse difficulté parce que j'ai dit, j'ai pas d'argent. Maintenant, là où je vais amener les clés, même les gens vont voir, on dit, ça monte pas. Tu allais lâcher Carmen là. Non, j'ai dit à Militude. est-ce que ça, c'est pas Dieu qui me montre de laisser la musique là, <laughs> Ok. Après, on a mis la vidéo sur Facebook, comme ça ne pouvait pas aller sur YouTube et tout. Donc j'ai patienté, je suis rentré. Après, le, deuxième son que j'avais enregistré avec lui, c'était le son de Allah Donc j'ai lancé le son et le son tout seul a commencé à prendre. Après, il y a eu le concert de, de, de, comment il s'appelle, du, processus verbal. J'étais venu rentrer des années aussi difficilement, tout ça. Et là, c'est là j'ai rencontré le gars qui m'a soutenu pour la première année. C'est lui qui a commencé à alléger la difficulté. C'est quel gars qui C'est Ibrahim Seni euh, que je ne cesse de Il Puis a pas lui, bien sûr, à contre donc Eh qui ben, a perdu à la Donc c'est ça. Deuxième problème, c'était quoi C'était qu'il fallait faire la tournée nationale de l'album après sa réalisation, mhm. mais Comment ça va se passer cette tournée s'il n'y a pas l'argent Les sponsors ne croyaient pas totalement. Ok, ok. C'était notre sortie, personne ne croyait pour de vrai. Et nous, on était sûr qu'on allait faire quelque chose. Mhm. Donc, Là même, on s'est soumis d'un problème pour organiser le concert d'Ottawa. Et la petite anecdote aussi qui montre la difficulté. Je me rappelle, il y a un ami Yatara, je vais appeler son nom. Ah. Yatara. Et il était, c'était lui qui devait animer le concert. Parce j'ai amené à l'intérieur du pays. Ah oui, à C'est l'ouverture de la tournée. J'ai dit, mon ami, tu viens, tu vas animer. Il a amené sa tenue et il devrait laver sa tenue. Je sais. il mes Laver mes <laughs> tenues. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il a cherché savon dans tout le, le Même jour. Le même jour du concert. De moi au manager jusqu'à en bas, il n'y avait pas l'argent ah, pour acheter Pour, acheter le savon. Pour acheter le savon, je te jure, il n'y avait pas l'argent. Pour l'animateur fasse laver les déchets avant que il va vous repasser pour monter. Attends, attends, attends, attends. Ok, deuxième difficulté en poche. Deuxième difficulté en poche. Oui. Après, on a fait le concert la même soirée, on a explosé et ça pour dire qu'après là, on a des élèves. Là, maintenant, les difficultés continuent jusqu'à ce que maintenant on a fini la tournée, c'est bon, maintenant on a les contrats nous-mêmes, on arrive à vivre, c'est même pas trop maintenant le problème des sous. mais Et maintenant, c'était un problème un peu lié. Parce que j'étais incompris. Quand j'ai fait Allah et ça, ah, les gens ils m'ont pris pour un révolutionnaire. Et là, ça fait encore une, une grande difficulté. Parce que dans la tête de tous les politiciens, dans la tête de tous les autorités, c'est que le petit, il est impoli, c'est un révolutionnaire. Et toi, tu es du genre à ne pas t'expliquer. Et moi, je n'aime même pas m'expliquer. parce que les gens vont finir par comprendre. Comprendre, bien sûr. Donc après ça, c'était la plus grosse difficulté de ma vie. Ah, c'est là où tu disais que télé de radio, non, prends ma Non, non, non, parce que c'est avec ça qu'on va commencer. Eh, télé de radio. Télé de radio, Dewa. Na san da sani Kai, ba sani ba. Na le sani Parce que déjà, toi, tu sais que tu as pris le risque. Le risque. De faire ce que tu penses. Oui, ce que je pense. Et ça, c'était, je t'ai dit, et ça, c'est pas destiné à X ou Y. Mais c'est. C'est juste une interpellation. Oui, bien sûr. Dire que, écoutez, il y a la route d'Agadez qui marche, qui est gâtée. Bien sûr. Écoutez, il y a, y a Maradi. Tout à fait. En résumé, eh, c'était un peu ta façon de dire pour que ça puisse changer. Changer. Mais tu n'étais rien, tu n'étais pas, pas contrôlé. Pas du tout. Voilà, tu pas du tout. Donc, oui, ce point il m'intéresse un peu parce que ça m'a m'aider à éclaircir ce côté de moi. éclaircir son côté de donc, donc, tout le monde pensait que j'étais révolutionnaire, oui. Donc, ils venaient même pas me voir, ils m'esquivaient sur les contrats. Tu vois, on m'appelle pas quand il y a le président, mhm. on m'appelle pas quand il y a les ministres parce qu'on pense que je n'ai peut-être pas été. Je me rappelle de ta première scène avec la première dame. Elle m'a dit J'espère qu'il ne va pas faire ce soir. J'ai dit Il ne va pas le faire. parce que après, on a été à l'école, on s'est <laughs> aussi Donc, c'était ces difficultés qui étaient venues, venues, venues, venues aussi. Et, j'avais des problèmes dans des salles. Je sentais des plus dans les trucs. Mais grâce à Dieu maintenant, je pense qu'ils ont compris que ce n'est pas un ennemi Dieu un ennemi du pouvoir ou de quelque chose. C'est juste un artiste qui dit un peu ce qui se dit en bas. Parce que voilà, je suis d'accord avec toi. Donc, troisième difficulté. je pense que la difficulté. Alors, est-ce que c'est même pas la quatrième La quatrième. Oui, parce qu'on a eu le du d'histoire déjà pour le capituler, mesdames et messieurs. Ah, c'était euh, la bourse qu'il a investie à où il n'avait pas de quoi rentrer chez lui. Donc, euh, une carrière incertaine. C'est un temps, tu n'as jamais plus plus un ça marcher comme ça. Parce qu'on a eu le problème de la tournée où il y avait le problème de Ensuite, pour le rappel, il y a le son aussi euh, à la ah, qui posé quand même un certain nombre de Oh, ben, ben. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais la quatrième difficulté que j'ai beaucoup plus rencontrée, c'était euh, le moment où je me disais que j'ai déjà fait deux fois le Niger, je, grave aimé ici. Donc maintenant, il va falloir que, que je fasse tout pour que ma musique et la musique nigérienne puissent être écoutées dehors. Mhm. Et tout ça, le défend des tes 150 mètres, c'est toujours Barakina qui. C'est toujours Barakina. C'est Chicha C'est toujours Barakina qui ah, tourne. Tu ah, vois, c'est lui, c'était ça. Le capital. Oui, en 2016. Le capital. 2016. <laughs> Ça, c'est le capital. Oui. Donc, la difficulté, c'était comment sortir, comment aller à l'international, comment, comment, comment, comment, comment aller. Dans tes fonds. Avec ta stratégie. Bien sûr, parce que c'est toujours pas passé. Donc, euh, après, là, c'est cette même difficulté qui nous suit jusqu'aujourd'hui. On est dans cette même difficulté-là jusqu'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a commencé déjà à mettre les pieds dehors, mais voilà, après le stade, ça reste beaucoup. Barakina, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique, mais il il faut parler un peu de ce que toi tu as gagné dans la vie. Je sais que tu as gagné l'ego. go. Oui. <laughs> tu as gagné. Oui, bah. tu, as, gagné l'ego. Eh bah, ben, Les go. Euh, C'est une façon de parler. Bien sûr, bien avant la musique aussi. on m'a dit que tu étais la star de l'université de Genève. Mm, bah, moi, les go, même pas trop. Hein. moi, les go, elles disent que je suis le change. Les, go, même pas trop. Qu'est-ce que tu as gagné euh, La musique. Euh, j'ai d'abord gagné ma confiance en soi. la confiance en soi. Ça t'a permis d'avoir confiance en toi. Ça m'a permis d'avoir confiance, vraiment confiance en moi parce que là, moi, je peux faire face à n'importe qui, mhm. que ça soit sur la scène mhm. ou partout. Donc après, ça m'a permis aussi de me réaliser en tant que jeune. Je ne compte plus sur la famille, sur les trucs. Donc je, vis comme je veux. Mhm je, peux bien filmer. Hein, comme ça. Ah, vas-y, filme. Mais voilà, je, je peux. comme, comme tu n'avais que les 150 Voilà, je le, voilà. <laughs> tu, tu, tu vois, hein. voilà, voilà, je me suis pêché au, moins 2-3 caisses. Ok. à travers l'Asie. J'ai installé un studio qui sera maintenant bientôt suivi. Musikina. Musikina qui sera bientôt suivi maintenant d'un notre secteur de, clips vidéo. Mais tu as tout Bien sûr. Je, je, suis en train de mettre en place des business et que je ne veux pas dire ici. Ouais, bien sûr, pas tout ça. Quand tu dis, ah ouais, bien sûr, on peut à tout moment. les phrases. oui bien sûr. Barakina en dehors de ça, tu as En dehors de ça. Euh, du Niger Oui, oui, oui, Ah, là, c'est. Bien sûr, c'est la confiance du public. Aujourd'hui, Barakina est connu partout. Mm. Barakina qui était rentré à Zender, inconnu de tout le monde, sans tuteur, sans rien, qui sort aujourd'hui 5 ans, ou 5 ans après, qui sort avec tout ça, je pense que j'ai ka kote Niger jè ganyi. c'est aujourd'hui, c'est parce que c'est le Niger, si c'est ailleurs. Un des plus gros games aussi, c'est la carrière internationale. Bien sûr, qui est en train de, prendre. De prendre de ouf. Hein. Sur déjà les chaînes internationales, là, contre Trace Urban et tout ça, on le défilé. Et il y a même, il y a même, il y a même, je ne sais pas si je vais le dire, tellement que. moi je, je suis en train de, de, ça, de savoir que je suis en train de sentir que ça prend à l'international. Okay. Je ne sais pas si c'est une exclusivité ou pas, mais après, on n'a pas conclu, mais ils nous ont, m'ont quand même approché. Il y a le staff de Grand P ok qui m'a approché. Ah, super. Ils m'ont dit qu'ils veulent amener leur artiste sur le stade. Ça commence déjà bien. Bien sûr, c'est de la Guinée, ça veut dire que peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Quelque chose. Et ils ont fait signer à le stade de Blas Et bientôt, on va aller là-bas, Bien sûr, et à le stade de Blas hein. Ah, de aussi qui t'a eh approché. Ça ça prend. Si Blas aussi jouer ici, donc je, moi, moi, en on aura tout confié à Chao en fin d'émission et à ramener, amener les gens à partir, qui fait liker, <laughs> partager. Bien sûr. qui nous mm. sommes à la fin. On va parler de tes projets. Projet Projets d'avenir. Ouais. Prochain. Et ah, juste là, là, en fait, à côté. Ok mhm. et Donc, euh, euh, euh, moyen et lointain. Lointain. Parlons des projets de Le projet, il y a déjà des villes qui essaient de nous inviter. On va sûrement attaquer Côte d'Ivoire et Lomé. On va prendre deux grandes salles là-bas. Je ne vais pas dire grand, mais je pense qu'après ça, on nous attend d'ailleurs quelque part et peut faire des nous, on a toujours confiance en toi, on sait que tu vas faire la merveille. Quand tu parles comme ça, tu viens donnes lâcher avec Nous sommes à la fin de cette journée. On sait que tu as perdu récemment une page de 160 000 amours. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un message un peu spécial à l'endroit de tes fans qui étaient sur cette page Parce que déjà ils te suivent sur Barakina le guide, mm-hmm. mais qu'est-ce que tu vois leur guide pour les amener, les inciter à aller liker Barakina le guide L'instant est solennel. L'artiste Barakina s'exprime à l'endroit la caméra est juste là. Je pense que ça, j'ai vraiment besoin de ça, de cette vidéo après. Euh, c'est vrai que on était, on a eu un petit souci avec euh, la page Facebook Barakina officielle, donc l'ancienne. À partir de là, je pense qu'on ne peut plus compter sur cette page. Donc tous mes abonnés qui sont sur cette page, tous mes amis qui sont là-bas, j'aimerais que vous cherchiez Barakina le guide qui a plus de 7000 abonnés. Il y a un autre bandit Barakina le guide à créer un autre truc. Mais il y a le le Medina avec 7000 abonnés. Donc revenez sur ça, il faut que ça explose. Sur lequel tu fais 5... directs parce que là, le ne peut pas C'est ça. <laughs> à partir du 5, on va commencer des directs live avec vous et chacun va me dire le son qu'il veut que je Chacun va me dire ce qu'il veut voir le 5 février. À partir du 5 janvier, il y aura des directs chaque soir sur ma page. Donc venez sur Parakina le guide et abonnez-vous, abonnez-vous, revenez. On va faire les 160 000 trains il n'y a pas de souci. Oui, à Eh, eh ben, bah, ils à Elle me nourrit d'amour. Elle est ma vitamine. Hey! On fera ce bon Dieu, ton pied, mon pied de gestion. Ouais. Machine en baratina. Si,